Euh, monsieur Ndiaye sans plus tarder nous avons waxtaan bi euh, euh, vendredi dernier il na fi def sortie sortie bi commenté sax ba et tout un peu une sortie boo xamante sa candidature pour les prochaines élections de février 2024 ñuy ñu exactement quelle est l'analyse que vous faites sur, cet acte posé par les DCSEC Wow, bon, je, euh, je, franchement, je pense que c'est un acte qui est très regrettable. Parce que nous sommes dans le cadre d'une très grande coalition, bien Bokyaga. Nous avons de partis, de coalitions, de sous-coalitions. Donc, nous, n'est-ce pas, nous la décision très ferme de soutenir la candidature du, de son excellence le président de la République, Macky Sall. Parce que vraiment, nous avons sécurisé, nous avons développé le Sénégal dañuy dañu gëm nañu que buñ ko jàppalee mu amaat un nouveau quinquennat en 2024 que incha allah rabbi vraiment développement bi dina gën a dina gën a nekk dina gën a nekk une réalité mais loolu nag bu ci demee nit ku nekk da ngay bàyyi yow say ambition personnelle nga jiital ambition président Macky Sall parce que loolu moom mooy njëriñu Sénégal donc bu ñu gisee Idrissa vraiment di ramer à contre-courant de loolu wax dëgg yàlla daf ñuy jaaxal daf ñuy interpeller aussi te loolu bu demee ba am nit ku nekk war nga def li ñuy woowee taxaw seetlu parce que tamit comme j'ai l'habitude de le dire très souvent nit ki moom wax dëgg yàlla euh,

kooku wax dëgg yàlla amul loo koy fayee lu dul euh, n'est-ce pas jam ko paaka paaka ginnaaw mhm. loolu dafa nekk loo xamante ne ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax di ko rappeler à mhm. léegi nag je pense que quand même que quand mooy mu assumer ki da ngay da ngay gore yow euh, da nekk candidat de la République mhm. yow nga ne yow sa bopp yow candidat nga da ngay wuti mais wax dëgg yàlla tu n'as qu'à assumer nga démissionné Donc, vraiment, <laughs> vraiment, je pense que c'est une question de dignité. Mhm. Donc, nous appelons le président Idrissé mhm. n'est-ce pas, à démissionner de son poste de 16 et à aller avec les ministres qui ont ses responsabilités. Parce que l'autre, dignité, l'autre, l'autre, euh, tirer conséquences sur les Mais, mon mhm. eh bien, il li nga xam ne moom cohésion bi ñu am ñun. Mhm. ñun ñëpp ñu taxaw n'est-ce pas surtout le président Macky Sall pour joxaat encore un deuxième quinquennat yow nga nekk ci biir n'est-ce pas di yàq di déclarer sa candidature di xëcc ay nit di kii vraiment c'est un comportement subversif boo xamante ni man personnellement je le dénonce avec la dernière énergie donc nous appelons. Mhm. n'est-ce pas comme toutes les voix autorisées euh, de la coalition Benno Bokk Yakar gis nga le coordonnateur de la cellule de communication de Benno a parlé. Mhm. n'est-ce pas ensuite il y a euh, Maître Youm qui est euh, un peu le responsable du groupe parlementaire Ben Boyaka, n'est-ce pas, qui a parlé. Mhm. Il y a d'autres voix, n'est-ce pas, euh, comme nous. Mais on appelle mhm. le président sec à être conséquent, à démissionner. Mm et à prendre ses ministres et à partir. Mhm. Mais est-ce que tu as mis, euh, ce que tu as soulevé, c'est que Macky Sall a fait takkal ko ay ndomba tànk def ko président conseil économique social et environnemental est-ce que loolu tamit dafa war a fexe dafa war a tax moom aussi ay ambition politique mu mettre ko de côté. waaw xam nga monsieur Nguer dans la vie il faut être conséquent je pense que fii moom wax dëgg yàlla kenn saxarul lem fii n'est-ce pas kenn moom il a été <laughs> euh, dafa participer aux élection présidentielle il yi passé nekk deuxième donc la moo tax continuer wul si boobu ci boobu dynamique donc mais boo duggee ci benn système système bi un code de conduite mais wax dëgg yàlla da nga code de conduite yoy mm-hmm. donc ça c'est très important donc mu nekk Idriss Seck mu nekk ak ak mm-hmm. il y a un code de euh, conduite bi très clair parce que aussi il faut il faut rappeler que dans le séminaire. Mm-hmm. on a fait un séminaire. Euh, c'était en décembre deux mille et dans ce séminaire là il y avait tous les leaders de la coalition Benno Bokk Yaakaar. ñun ñep à l'unanimité unanimité. et le président Macky Sall moom moo ko on a pris la euh, décision, mm -hmm. nous avons un candidat unique dans un bureau unique. Ça, c'est clair. candidat unique, c'est le président Macky Sall. Mais et le bureau doit être uni. Mm -hmm. Donc, dans ce cadre-là, vous dites que quand même un autre de pyramide à Corte Colan, l'autre de plus de 400 et quelques n'est-ce pas, organisations politiques. Nous avons le président Macky Sall, nous avons mhm. Mais nous avons le Tungo, Wako, yow nga ñëw di raame ça pose un grand problème. est ce que tamit mom li nga xamantene mom wax nako ko muy jàkka ji ñaar yoon lañuy ñuy nodd te nee na seen wala euh, le président de la république Macky Sall jot na nodd ñaar yoon est ce que lolu taxul wala est ce que lolu gënu ko pousser mom mu mën a mu mu mu déclarer sa candidature. mais lolu mom lolu lolu mom bu ko waxee ça dit que lui il ne respecte pas du tout nest ce pas li nga xamne mom moom mooy institution conseil constitutionnel moom moom mënul nekk un président d' ba pare bañ a respecter institution bi conseil constitutionnel incarné c' est pas possible donc gis naa même un communiqué bu nous génnee euh, démb ci safa xaw ma tey ne ce pas di wax il euh, y' a des y' a des y' a des ah, membres euh, du bureau qui ont bloqué ça mais dama mais mhm. moi mënul nekk président nest ce pas d'une institution ba pare di wax à la place d'une autre institution donc loolu wax de yàlla c' le de l'irrespect mhm. moom na bàyyi conseil constitutionnel bi nga xam ne moom chargé alors déclarer est candidat wala qui du candidat moi mais moi il ne peut pas parler à la place du conseil constitutionnel ba pare réclamer un respect de son institution donc l'eau n'est-ce pas le nekk le remonter à sens quoi mhm. voilà donc moi, vraiment on l'appelle encore une fois mhm. nit ki position tu es libre hein, mais tu assumes les tes tes tes responsabilités mhm. je rappelle que son excellence le président Macky Sall bi quitté fi ne le sénégalais il a quitté donc dafa joxe bépp ndombo tànk bi nga xamante ne joxoon nañ ko muy nominatif muy électif n'est-ce pas dugg si àll bi. Mhm. mais mënoo bëgg nguur nest pas te doo sonn bëgg def ay combine bëgg def ay deal bëgg def ay chama ay croquis. loolu ça ne passera pas loolu bi mu demee ba bëgg laaj réew mi dafa démissionné. tekki ay ndombo tànkam. nit mhm. am lu ñu wooyee courage il faut avoir courage le courage de ce que bi mu demee n'est-ce pas daataan baatu askan bi askan Mhm. il est libre n'est-ce pas d'avoir des ambitions mais ambitions coalition parce que comme nous on a fait un séminaire euh, qui a été dirigé par le par son excellence le président mhm. plus de 400 et organisations politiques n'est-ce pas hein, nous allons avoir un candidat hein, un seul candidat dans une et notre seul candidat c'est le président Macky Sall donc moom bu avez une ci organisation bi. Mhm. di wax leneen c'est tout à fait normal qu'on lui demande à à débarrasser le plancher. ok C'est tout à fait normal. Euh, euh, gis nañu seetlu nañ ni euh, depuis cette déclaration bi nga que ne Idrissa Seck def que ko vendredi bi vendredi dernier bi. une, nañ seen seen instance yi le parti républicain et citoyen génne communiqué bon je sais pas si c'est le lendemain le ou mais un communiqué incendiaire pourquoi cet acte pourquoi ngeen réagir non bon xam nga euh, ñun moy li la lay wax chaque jour rek xam nga ñun euh, nous ne sommes pas là n'est-ce pas pour faire de la politique sentiment donc ñun nous sommes une organisation très jeune d'accord dirigée par des jeunes leader sénégalais bon, am un vécu. Mhm. bu ñu demee di soutenir ki nga xam ne mooy le président Macky Sall ñun mënuñu accepter suñu leader n'est-ce pas. Mhm. jël benn voix nañu lii mooy voix bi ñëpp ànd ci. Mhm. ñu gis un autre n'est-ce pas une autre personne c'est tout à fait normal qu'on réagisse et puis quoi. c'est que non euh, parce que c'est la fumisterie excusez-moi du mhm. c'est la parce que tout simplement boss mais pour attaquer c'est tout à fait normal donc c'est tout à fait normal que nous, on est là pour sécuriser n'est-ce pas euh, euh, les voix politiques que le président Macky n'est-ce pas, euh, mais aussi nous sommes là vraiment pour tirer à route sur tout énergumène, n'est-ce pas, qui cherche à déstabiliser le président Macky Et ça, c'est vraiment très clair, mm-hmm. et c'est dans ce sens-là que notre communiqué est sorti, mm-hmm. après avoir, n'est-ce pas, euh, consulter tous les entités, n'est-ce pas, euh, euh, du parti. Il dit ça, nous avons été très très avec lui. Mhm. nous, on lui demande, n'est-ce pas, de débarrasser le plancher avec ses ministres, parce qu'il ne peut pas être à l'intérieur de Benno Yakar et vouloir remettre en cause euh, les le, le président Est-ce que ça ne serait plus euh, républicain il dit Seck, c'est wax def déclaration et tout. De façon républicaine, Gen Baïko, non, non, aisément mais lolo lolo loolu c'est pas c'est pas de façon républicaine ça c'est la lâcheté ça que nous ñi bay ànd ak attaquer. Beaucoup koy attaqué. Mhm. si lu nga xamante ne moom mais ñi ànd ak moom c'est normal que nous devons ko. Mhm. encore une fois da nga andi si li nga xam euh, profession de foi n'est-ce pas de nos militants de base la profession la profession de foi c'est très important. Mhm. à chaque fois qu'on tient des réunions wala soit ñu def ay assemblée dañ koy wax. je m'engage n'est-ce pas avec fidélité et loyauté auprès de son excellence le président de la République son excellence Macky Sall d'accord, à défendre lui, à défendre son bilan, n'importe où et n'importe quand, mhm. qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes des inconditionnels du parti mhm. et des éternels maquistes. Donc, nous, c'est tout à fait normal. Lolo, il faut nous dire. On a une réaction normale. Non, c'est tout à fait normal parce que nous, nous sommes là pour sécuriser, n'est-ce pas, les arrières du président Macky Sall et nous sommes là, n'est-ce pas, pour Harold Koyon pour nous continuer. Et alors, dans ce, dans ce, dans ce combat-là, nous, il nous sait que nous sommes là. Qu'est-ce que nous avons nous allons faire un recadrage n'est-ce pas, euh, euh, continuer pour que le président Macky Sall le Sénégal. On va, toujours, on va toujours continuer à parler d'Idrissa Seck. Euh, récemment, il a sorti un communiqué concernant une défection qui s'est produite au niveau du Conseil économique, social et environnemental. Nous avons 8 membres, c'est des membres du CC, des membres de l'APER, qui ont fait défection sur réunion Amal est-ce que lolo, euh, lu lu lu jaadu la ci institution. waaw xam nga euh, wax yalla yàlla euh li ñu waroon li ñu waroon njëkk est-ce que Idriss Seck déclaration bi mu def te bokku ci coalition est-ce que vraiment lu jaadu la loolu jaadu donc maintenant il faut savoir que nous sommes en politique nous sommes en politique donc ces huit conseillers là moi je les soutiens et je suis en phase avec ñoom. parce que tout simplement mënoo nekk si si benn position boo xamante ne bi le président Macky Sall moi la fa teg la jox joxoo ko joxoo ko li nga xam ne mhm. et eh bien nga bëgg na amee à contre courant n'est-ce pas de nos intérêts politiques mais c'est tout à fait normal ils ont posé un acte politique salutaire parce que dañ koy wan ne moom. mënoo am mënoo tu peux pas avoir non tu peux pas avoir le bleu bleu, l'argent du beurre et la sympathie de la laitière Il Seck li mu bëgg mënul li bëgg mënta ne. Mhm. donc ces membres du bureau là ils sont dans le droit. ils sont dans le droit et moi je je suis parfaitement en phase avec avec li mhm. il faut qu'ils, n'est-ce pas les nation et il demande n'est-ce pas l'arbitrage de son excellence le président Maxal, pour que nous là parce que aussi wax di di si là, di dina li nga ne le de la coalition parce que ñun wax dëgg yàlla ku nekk da nga bàyyi say ambition ku nekk da jël sa récépissé jox ko xam ne moom mooy son excellence le président Macky Sall eh bien yow boo nekkee si biir ñu lay permettre yenn yenn déclaration yi mais demain ou bien après demain d'autres entités peuvent dire que Idrissa mhm. euh, euh, mais du xam si Benno kenn donc ça c'est un danger il faut que chaque entité prenne ses responsabilités. Mm-hmm. Idrissa non je j'estime c'est mon point de vue maintenant le président Macky Sall il est le président de la République il a toutes les informations n'est-ce pas et en fonction de l'orientation il nous dit que dinañ si dinañ si leen mais suñu xel quand même de façon très sincère en tant qu'allié loyal et finalement, mais nous nous estimons que le Seck que c'est pas normal et il faut qu'on le regarde mm. parce que sinon c'est sera la porte ouverte à n'importe quoi. Mm. bon dañuy jàpp bon la déclaration il l'a fait sous la bannière du du parti Rémi, alors que là c'est un peu différent par rapport à ce qui s'est passé parce que c'est au niveau d'une institution boo xamante ne liggéey bi liggéeyu quoi. waaw xam nga euh, mooy li je la wax léegi rek xam nga liggéey réew borom réew mi moom moo fa teg yow da

c'est la raison pour laquelle avant ñu leen nommer yenn poste de responsabilité on le reçoit toog ak yow expliqué la ne la lii la ñuy xaar yow ak mais si tu à contre courant de mais c'est tout à fait normal que soit ñu jël le la joxoon wala ñu dugal si ay affaire yoo xamante ne mooy mm-hmm. donc l'autre tamit wax dëgg il faut considérer la vérité Idrissa Seck il dirige une institution certes mais il a bénéficié de la confiance du président de la République Macky Sall bu demee ba nga la feuille de route bi ko président jox mënut ko doxal eh bien na bàyyi moo gën parce que euh, nous finalement parce que euh, finalement avec euh, une indignité vraiment extraordinaire. finalement n'est-ce pas ay n'est-ce pas la saga, pour comme mhm. n'est-ce pas une

puis c'est moomul Thiès moomul Thiès il a perdu toutes les euh, communes yu nekk yu nekk Thiès Idrissa Seck Bamba la amatul benn base. Mhm. au contraire il a il, il a été aidé par le président Macky Sall président Macky Sall xam nga la il est magnanime n'est-ce pas nit ku yiw la nit ku bëgg ànd nit la moom moo ko euh, jox ko poste mais xam nga ne politiquement il ne pèse plus rien du tout. Mhm. donc franchement il faut qu'il euh, arrête n'est-ce pas jeu bi muy def parce qu'il ne fait peur à personne parce que tout simplement il Idrissa Seck même pour d'accord, ko d'accord fii wala mu même pour faire le parrainage ce sera un problème fi dire le parrainage amatul nit vous mhm. de base ñi mu àndal ce sont des responsables c'est des coquilles vides même pour le parrainage problème donc man je lance un dernier appel genre que euh, sommation à Idriss Seck rentre mhm. rentrer dans les rangs il n'a qu'à faire son mea culpa d'accord rentrer dans les rangs continuer à soutenir les motions d'excellence ne le président Macky parce que c'est la seule voie aujourd'hui mon bu koy permettre de sinon s'il continue dans cette dans cette dans cette voie là mhm. eh bien dina mujjee ñaaw parce que soit dinañ wala on va le on va le pousser à la sortie mhm. et l'autre ce sera vraiment regrettable pour lui